depuis 20 ans 25 ans je voyage en Afrique je voyage le monde je suis gouvernement ministre d'État je suis ak je je carnet d'adresse carnet d'adresse utiliser pour développer euh, euh, depuis longtemps candidat à la candidature si ma laajee ci candidature yu ñeneen ma ne mënuma cee wax parce que man dégguma ñu ni candidat lañu te man professeur de droit conseil bi ma nekk xam na ne la candidature c'est c'est une déclaration c'est un acte individuel par lequel l'individu déclare personnellement qu'il est candidat pour occuper un emploi ou un mandat ma ne ku ma déggul nga ne candidat la suñ ma laajee damay jàpp ne doo candidat je nak nag mon frère le président du conseil départemental mon frère l'honorable député Souleymane Doy, mon ñu candidat à la mairie de la ville Je foogoon ne man dama foogoon comme conseil départemental a sollicité le mandat Il a fait nga acte de candidature si vous fait fait acte de candidature candidature ba warul nekk loo il doit dafay l'unité parce que 2014 dañu ñakoon parce que dañu avons ay liste yu bari waye ñepp xam nañ président Macky Sall mo am majorité à risque. la preuve ci élection présidentielle président Macky Sall am 54 donc ay candidats am su ñu ensemble Le président Souleymane nous bi mu dafa candidat mais lu bax d'exprimer la vitalité. C'est un citoyen russois qui a le droit. je lui lance un appel pour nous waxtaan pour nous concerter où. ba nga nous une formule gagnante formule gagnante c'est la formule qui nous il faut sauvegarder l'unité du parti formule gagnante il war a am ben liste pour les communes vous représentez Benno Bokk Yaakaar am benn pour la ville vous représentez Benno Bokk Yaakaar loolu dañuy gagné waaye tam ñu am benn liste boo xamante ni pour le conseil départemental Le conseil départemental nag le na fa am na fa bilan pour xamante ni mun ko défendre su fa candidat loolu dinañ parce que c'est le cas de tous les présidents de conseil départemental du Sénégal Nous sollicité waat mandat